forum district the forum district kalam group the forum district kalam group kalam the forum district kalam the forum district the forum the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam 18h passé de 15 minutes, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum d'Istudio studio Kalangou. Une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes d'Istudio studio Kalangou sont diffusés en direct sur 34 radios partenaires à travers le Niger. Et ce, du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15 minutes. Le sujet principal du forum de ce soir porte sur le rallye fluvial interétat initié par l'agence Songay Voyage et de la navigation fluviale ASVNF sur rallye fluvial prévu pour le 3 février prochain. Quel est l'objectif principal visé à travers ce rallye fluvial inter-État En quoi consiste ce rallye fluvial Qui sont les participants Quelles sont les principales préoccupations soulevées au cours de ce rallye Pourquoi la préservation du fleuve Niger doit être la préoccupation de tout le monde Comment pérenniser une telle initiative et comment tirer pleinement profit Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons invité ce soir Haruna Moumouni, directeur général de l'agence et Voyage et de la navigation fluviale et initiateur de ce rallye fluvial inter-État. Bonsoir Haruna. Bonsoir et Agali Agouzoum Bouhari, directeur du département environnement et gestion de l'écosystème de l'agence du barrage de Kandaji. Bonsoir Agali. Bonsoir Monsieur Alassane et euh, également Djibril Amadou, membre du comité d'organisation de ce rallye. Bonsoir euh, Djibril. Bonsoir. Et merci à vous d'avoir honoré cette invitation. Présentation de cette émission à Alassane Kouzi Mahamadou. Bonsoir à tous. Le forum de ce soir, je le disais en début, traite de la deuxième édition du rallye fluvial inter-État qui se tiendra au Niger du samedi 3 au dimanche 4 février 2018. Ce rallye aura comme point de départ Namaro et Saï et comme point d'arrivée via Niamey. Environ 11 000 participants sont attendus à cette rencontre dont des pirogues, des artistes, des hydrologues, des scientifiques, des cinéastes des pays de l'autorité du bassin du Niger, de la CDAO et de l'IMOA. Ce rallye implique à chaque édition 12 ministères et leurs homologues des pays membres de l'ABN. L'état actuel de dégradation et de pollution avancée du fleuve Niger est au centre de ce rallye fluvial inter-État. Le fleuve Niger, pour rappel, est long de 4200 km, soit le troisième plus grand d'Afrique après le Congo et les Nils de l'Égypte. Il traverse cinq pays de la Guinée où il prend sa source, le Mali, le Niger, le Bénin et le Nigeria. Ce fleuve arrose le Niger sur une distance de 550 km. Ce rallye fluvial inter-État est une initiative du promoteur de l'agence Songhai Voyage et de la navigation fluviale ASVNF. La première édition du rallye fluvial inter-État remonte à 2009. Alors, euh, nous allons commencer à donner la parole l'initiateur principal, à savoir euh, Haruna Moumouni dites-nous, un rallye fluvial inter-État, pourquoi faire Merci, M. Euh, Monsieur Alassane. Le rallye fluvial euh, inter-État est initié pour orienter la vision nationale, la vision des pays membres de l'ABN à regarder un peu le fleuve Niger qui se dégrade de jour en jour d'une manière dangereuse. Il ce rallye a pour deux objectifs sauver le fleuve Niger en appelant tous les acteurs des pays membres de l'ABN, dont le Niger, tous les riverains et les partenaires au développement pour faire diligence au dossier de sauvetage de ce fleuve qui est en train de disparaître. Alors, comment est-ce qu'il faut le faire Il fallait adapter une euh, stratégie, donc de ramener les gens sur le fleuve. Pour les amener sur le fleuve, il faut trouver une raison valable sur le sport et aller vers la culture africaine, notre repère d'ailleurs l'unique repère africain qui est en train de disparaître également. Donc d'où nous avons créé le rallye pour interpeller les, États membres de l'ABN, je le répète pour la troisième fois, les États membres de l'ABN, que ce fleuve est aujourd'hui utilisé pour poubelle dans certaines régions il est, plein de carcasses de radio, de linge sale, et on en découvre même des carcasses de véhicules dans le lit du fleuve. Tout cela occasionne fortement la fixation des, des grains de sable qui occasionnent à leur tour la naissance de, des bandes de sable et des îles qui naissent chaque année quels sont les participants au rallye de façon au rallye en tant que tel ceux qui euh, prennent part. Ah, ceux qui prennent part, les participants actifs, ce sont euh, les riverains qui sont sur, les bords du fleuve. Les Nigériens seulement Oui, euh, pour cette édition, c'est les Nigériens parce que on avait voulu organiser la deuxième édition qui va regrouper 22 pays autour de, ce fleuve Niger. Malheureusement, euh, certaines circonstances liées à la sécurité euh, font que ne peut pas prendre la grande distance. Et d'où on s'était limité euh, à Namaro, qui, d'une manière à l'autre, est, est, est protégé. Donc, on a les Nigériens uniquement les Nigériens cette année. Mais plais à Dieu, l'année prochaine, on aura les 22 pays. Merci. Djibril Amadou, qui est membre du comité d'organisation de, de ces rallyes. Djibril Amadou, est-ce qu'il y a un complément d'information par rapport à l'organisation de ces rallye, notamment les parties prenantes Merci, Monsieur Alassane. Et permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour euh, m'avoir donné cette opportunité pour parler de ces grands événements et important pour notre pays. Donc, euh, comme il vous en a parlé, il y aura des participants internes, et aussi des participants d'autres pays sur invitation. Il y a aussi, pour ce qui est de l'organisation, des sous-comités. On a jusqu'à quatre sous-comités. Il y a les sous-comités santé-sécurité, il y a les sous-comités communication et animation culturelle, il y a les sous-comités techniques, il y a les sous-comités finances. Donc, euh, il y a des représentants des différents ministères concernés qui sont dans ces sous-comités, qui sont répartis entre les différents sous-comités. Pour, euh, la bonne réussite de Voilà, pour la bonne réussite de ce grand événement-là. Nous allons revenir à vous le temps d'accueillir euh, donc notre quatrième invité, Moro Hamadou, euh, qui représente le ministère de la Jeunesse et des Sports euh, ici. Euh, Moro, bonsoir. Donc, le rallye fluvial inter-État qu'organise l'ASVNF, vous êtes partie prenante. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont, en quelque sorte, les, les différentes activités à de, de ces rallyes euh, merci, euh, je vous remercie très sincèrement. Je vais lancer euh, d'abord le remerciement au promoteur qui a bien voulu organiser cette deuxième édition pour les Nigériens et pour le fleuve qui a besoin d'être sauvé. Donc, au cours de cette activité, sur le plan sportif, il y aura des courses de pirogue. Et, permettez-moi de dire, avant d'arriver à, cette discipline, de dire que autour du fleuve, il y a les populations qui ont besoin de sport. Depuis belle lurette, ces populations étaient restées avec eh, des activités, beaucoup de jeux, et c'est des jeux eh, à caractère eh, sportif. Et le sport, c'est l'ensemble des activités physiques pratiquées sous forme de jeux, individuels ou collectifs, avec des règles. Et ces jeux sont aussi importants pour la santé du corps que pour que pour les loisirs. Et autour du fleuve, tout le monde avait trouvé qu'il y avait des courses de pirogues qui s'organisaient pour la santé des populations. Il y avait eh, des jeux d'éperviers qui s'organisaient. Il y avait des courses au canard, qui s'organisaient pour eh, la, navigalité, eh, pardon, la et la navigabilité de ce fleuve. Ce fleuve. Est-ce que vous voulez dire que tout ce que vous avez rappelé euh, comme activité sportive euh, d'antan euh, ne, se ne pratiquait plus et qu'il fallait y revenir Vraiment, c'est des activités qu'on doit, doit réhabiliter. C'est des activités qui ne se pratiquent plus. C'est pour cela que nous avons tendance à laisser le fleuve et à aller ailleurs. Le rallye en tant que tel, comment se feront les courses des pirogues Donc, il y aura des courses de pirogues de Namaro à pour une première étape de Namaro à Niamey, ensuite de Niamey à Saï le lendemain. Mais la première course, il y aura 15 pirogues. La deuxième course aussi, il y aura les mêmes 15 pirogues. Et ces courses seront organisées par des officiels techniques et avec, qui vont arbitrer, qui vont déterminer les, gagnants et qui vont déterminer la qualité des sportifs, parce qu'il s'agit là des sportifs piroguiers qui ont été entraînés et que je pense qu'aujourd'hui, eh, les populations doivent être prêtes à les regarder dans leur caractère sportif. chaque pirogue contient combien de, sportifs Donc, euh, chaque pirogue contient un 5 rameurs et on aura 15 pirogues. Ça fait 75 eh, eh, participants pour ce seul rallye pour deux jours. Donc euh, les pirogues sont, euh, sont conduites à, l'aide de pagaies, c'est ça Oui, oui. Les pirogues sont. Euh, il y a les cinq personnes, on les appelle des rameurs. Mhm. Ils sont là et ils ont des rames, ils vont ramer. Et, souvent, selon leur organisation, les trois peuvent ramer et comme les quatre peuvent ramer, comme les cinq peuvent ramer, comme une personne peut ramer, c'est en fonction de leur, leur possibilité. Alors, comment gagner donc, il s'agissait euh, pour la première étape, on va recenser euh, l'ordre d'arrivée et à la deuxième étape aussi, on va recenser l'ordre d'arrivée et les prix seront donnés selon les points apportés par rapport à l'ordre d'arrivée. Ça veut dire qu'on peut être premier à la première étape et être dernier à la deuxième étape. Ça veut dire qu'on n'aura pas eu beaucoup de points, et on ne pourra, pas être premier. est-ce qu'il y aura des trophées individuels il y aura que des, bon, des, trophées par pirogue. C'est-à-dire, voilà, donc ce n'est pas individuel par personne. Bien. Nous allons donner la parole à, à, Bohari, qui est le directeur département environnement et gestion de l'écosystème au niveau de l'agence du barrage de Kandaji. Vous êtes partie prenante, vous êtes euh, un des partenaires donc, euh, de, de ce rallye. Quel regard vous portez sur ce rallye euh, merci, Monsieur Alassane. de l'agence du barrage de nous avoir euh, invités euh, dans cette émission. Et puis, permettez-moi aussi également de remercier le studio Kalangou pour tous les efforts qu'ils font en termes d'information et de sensibilisation dans tous les domaines, plus particulièrement dans le domaine de l'environnement, qui, comme vous le savez, est une question d'actualité. Je remercie également le promoteur, donc au nom du barrage, de l'agence du barrage de Kandaji, le promoteur donc du rallye fluvial, le ministère du Tourisme donc et de l'Artisanat, qui ont bien voulu cette année nous faire participer à cet important événement. Alors, on parle bien sûr de rallye fluvial, c'est-à-dire qu'on parle du fleuve Niger. Vous savez, eh, le barrage de Kandaji, il est conçu, il est pensé autour du fleuve Niger. Alors, dès lors, vous comprenez que le fleuve Niger, au niveau de Kandaji, nous lui accordons une importance très capitale. Euh, c'est pourquoi, euh, dès que donc, le promoteur et le ministère en charge du tourisme et de l'artisan nous ont approchés, nous avons jugé nécessaire de les accompagner parce que le fleuve, euh, c'est un patrimoine écologique national, pour ne pas dire sous-régional, parce que c'est neuf pays de la BN aussi sont concernés. Mmh. Et comme il l'a dit dans l'introduction, M. Moumouni, effectivement, le fleuve, pour ceux qui le suivent, ces dernières années, est en train quand même de, souffrir d'un certain nombre de facteurs qui sont tantôt physiques, tantôt anthropiques, donc liés euh, à l'activité humaine. Et au niveau de Kandaji, nous sommes en train de mener un certain nombre d'activités pour pouvoir assurer la navigabilité d'abord du fleuve, en permettant au fleuve d'avoir un débit acceptable, mm-hmm. en essayant de protéger d'abord la biodiversité animale, végétale, aquatique du fleuve, et en essayant d'améliorer les conditions de vie des populations. Euh, pour répondre à votre question, donc, euh, ce sont ces questions, c'est tous ces aspects-là qui font que le programme Kandaji est intéressé et impliqué à décider d'accompagner l'organisation de cette deuxième édition du Rallye fluvial. Est-ce qu'on peut avoir une idée de, l'appui euh, qu'apporte le programme, l'agence du barrage de Kandaji à ces rallyes, et euh, la forme que prend cet appui euh, Merci. Effectivement, donc, après sollicitation du programme Kandaji, nous avons bien voulu effectivement, de manière financière, appuyer l'organisation donc de ce rallye-là. Et pendant les deux jours-là, nous aurons des communications à faire pour montrer aux, aux, différents participants donc, ce que le programme Kandaji est en train de faire pour la sauvegarde de ce fleuve Niger. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le thème de cette année, c'est Ensemble sauvons le Niger. Mm. Ensemble sauvons le Niger et nous allons. Le Niger en, référence au fleuve. Le fleuve Niger. Ensemble sauvons le fleuve Niger. Mm-hmm. Le thème central et l'objet de cette discussion, c'est autour du fleuve. Mm-hmm. Exactement. Donc, euh, d'abord, euh, nous avons appuyé sur le plan donc, euh, matériel et puis nous aurons quand même une communication à faire pour montrer ce que Kandaji est en train de faire pour la sauvegarde de ce fleuve Niger. Bien, nous revenons à vous, Moumouni Aruna, donc euh, promoteur principal de rallies. Quelles sont les principales préoccupations euh, qui seront soulevées euh, durant ces rallyes? Merci, M. Alassane. Les préoccupations sont au nombre de deux, ce que je sache. D'abord, éveiller la conscience, la conscience nigérienne, la conscience africaine, que ce patrimoine que Dieu nous a donné n'est pas remplaçable. Deuxièmement, au niveau de la culture, comme euh, euh M. Morou l'avait dit, moi j'allais commencer à dire que l'Afrique regorge beaucoup, beaucoup d'activités que nous avons héritées de nos parents et que nous sommes en train d'abandonner pour aller vers ce que le parent de l'autre a laissé à ses enfants qui ne nous servira pas. Aujourd'hui, la culture africaine, tout ce qu'on connaît sur ce fleuve-là, n'existe plus. Et le fleuve est en train de suivre. Donc, éveillez encore la conscience africaine que nous devons retrouver nos racines pour que notre identité culturelle prenne vie et pour que nous soyons éduqués par rapport à ce que nos parents nous ont laissé. Voilà les préoccupations. Euh, euh, vous avez dit que donc on l'appelle c'est rallye fluvial inter-État qui est censé regrouper donc les pays de l'ABN, l'autorité du bassin du Niger, et vous avez dit que actuellement euh, il n'y a que les Nigériens, exclusivement les Nigériens qui qui participent à ces rallyes. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? alors oui. a la vocation rallye a vocation normalement euh, d'être sous régional Oui, oui. Euh, le rallye euh, jusqu'à sa cinquième édition, normalement doit prendre départ à Farana en Guinée. C'est-à-dire de la première édition qui a commencé à Labzanga, Niamey. La deuxième, au Labzanga au Mali. La deuxième édition allait prendre départ à Gao mhm. pour arriver au Nigeria. Malheureusement, pour des raisons sécuritaires, euh, les gouvernements ont demandé euh, à protéger les populations euh, de revoir un peu là où il y a la paix. Ce qui fait que on a de Gao, on a ramené à Labzanga, n'était pas possible. On a ramené à, à ailleurs où pas possible. On a demandé Tilabiri, c'était pas possible. Donc on nous a dit de regarder les villes environnantes de Niamey, ce qui fait que euh, pour certaines raisons, nous avons pris Namaro, comme zone de départ. Puisque c'est une toute petite distance que nous allons courir, on a jugé bon euh, se limiter au niveau national. Ça, c'est un. Mais j'ai envie de vous poser une dernière question avant de donner la parole aux autres. on l'a dit en début que c'est à chaque édition 12 ministères nigériens et leurs homologues de l'ABN, euh, dont le, le ministère de l'hydraulique, le tourisme, le transport, la défense, le commerce, l'intérieur et les affaires étrangères sont impliqués. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi Prenons euh, isolement chacun de ces ministères tels que l'hydraulique. Euh, hydraulique. L'hydraulique s'occupe de ce lit du fleuve. L'hydraulique est créée pour ce fleuve-là, avant d'aller peut-être sur de l'eau sous la terre. Maintenant, prenons euh, l'éducation peut-être qui semble être un peu éloignée du fleuve. chaque édition a des livres, des ardoises, des craies, des gommes, euh, disons, le manuel scolaire qu'on distribue de village en village. La santé, nous avons des moustiquaires et des produits de première nécessité que nous distribuons chaque village traversé par le rallye. Et est-ce que ces ministères, en dehors de, ces distributions, est-ce que ces ministères euh, apportent un certain nombre de communications, notamment relativement à leur domaine, pour attirer l'attention des uns et des autres Bon, nous attendons, vous connaissez le Niger autant que moi, euh, nous attendons la participation, l'implication physique de ces ministères. Nous allons donner la parole à Djibril Amadou, qui est membre du comité d'organisation. Djibril, quel est le message que vous avez envie de partager euh, durant ces, ce euh, Merci. ce que j'ai à dire, c'est que je voudrais que nous, les Nigériens, comprenons conscience que ces fleuves-là, c'est un don qui nous a donné et nous devons prendre soin de ça, devons agir dans le sens de les protéger parce que, comme il est dit, si le Nil est un don pour l'Égypte, le fleuve Niger aussi est un don pour les Niger. Donc vraiment, nous devons tout faire pour que ces fleuves-là existent à tout temps parce que la protection du fleuve a beaucoup d'avantages. Il y a des avantages à court terme et des avantages à long terme. Ça veut dire ça va survivre jusqu'aux générations futures, ce que nous sommes en train de faire. Même après nous, les enfants de nos enfants aussi vont en profiter. Le développement durable, c'est de ne pas penser à soi seulement, penser aux générations futures. Monsieur Omorou, donc vous, quel est le message que vous, vous au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, vous allez véhiculer euh, durant ces deux jours Donc, et, il est important de rappeler aux populations que le fleuve, c'est un espace qui leur appartient, c'est un espace comme les autres. C'est un espace de jeu, c'est un espace de sport, c'est un espace où on cultive sa santé, c'est un espace où on peut être bien éduqué. Et je me rappelais avant, autour du fleuve, il y avait des concours. Il y avait beaucoup de concours dont j'ai énuméré certaines activités. Dont, à Voilà, donc j'ai évité et, j'ai parlé des activités. Il y en a beaucoup que l'on a créées, qu'on peut créer et ces activités permettent le sport en général. Et le sport, comme je l'ai redit tout à l'heure, ça donne la santé, ça veut dire qu'on va éviter moins de maladies. Et aujourd'hui, la discipline la plus sportive, la discipline la plus médicale, ça a été scientifiquement démontré que c'est la natation. On, dit que tout celui qui peut nager et trois fois par semaine, il, il ira il ira, comment on dit, il, tombera très, très rarement. Il n'ira pas à l'hôpital. Voilà. Donc, pour dire que le fleuve, nous devons le dompter, nous devons y faire notre terrain, notre lieu de sport, parce que les, sports, les lieux de sport ne sont pas suffisants, alors que le fleuve est là large. On peut créer beaucoup d'activités autour de ce, de ce fleuve et permettre aux jeunes d'apprendre à nager, d'apprendre à travailler sur l'eau, à conduire des pirogues, à, faire même d'autres activités sportives qui permettent de gagner son pain, telles que eh, l'épervier, par exemple. C'est une activité nautique. Ça veut dire que <laughs> le piroguier, il va loin, il va partout, que ça soit sur l'eau, que ça soit dans sa pirogue, que ça soit, en tout cas, c'est un terrain qui lui est favorable, sur lequel il peut faire toute activité nous revenons à vous, Agali Gali Agouzombohari, directeur département environnement et gestion écosystème. Quel autre message vous, l'agence du barrage Kandaji est, là pour, véhiculer durant ces, jours Vous avez dit qu'il y aura un certain nombre de communications. Vous avez commencé à énumérer un certain nombre de, messages à l'intention des, des riverains. Merci, M. Alassane. Effectivement, euh, dans mon introduction, je disais que nous, euh, l'édition du rallye est une occasion pour nous d'abord d'échanger et d'informer l'opinion nationale et internationale ce que nous sommes en train de faire en termes de mesures de sauvegarde environnementale et sociale autour de, l'écosystème fluvial. Alors, pour ceux qui le savent, euh, je le disais tout à l'heure, suite aux années de sécheresse qu'a connu le Sahel, à la variabilité climatique, il y a des moments ou au niveau du fleuve vous pouvez me traverser. Je connais beaucoup de vers Koutougou par exemple, même à Niamey ici. Mhm. Alors, ceci a inquiété d'abord le gouvernement du Niger qui a diligenté un certain nombre d'études, dont l'étude de faisabilité du barrage de Kandaji. Et en 2002, le programme Kandaji, vous savez, beaucoup ne savent pas, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est le programme Kandaji de régénération des écosystèmes et de mise en valeur de la vallée, vallée du Niger. Alors, quand on dit programme, vous voyez que le, barrage de Kandaji. Ce n'est qu'un des ah, aspects. la construction du barrage, c'est une composante. Mmh. C'est la composante C. Mmh, mmh, la composante A, excusez-moi. Nous avons la composante B qui est dédiée à la gestion environnementale et sociale. Et la composante C qui est dédiée à la gestion du programme. Donc, je vais revenir sur la composante B qui nous intéresse. Au niveau de Kandaji, nous avons entrepris, par exemple, des mesures de lutte contre la jacinto, contre le Tifa australis. Vous savez, ces deux plantes envahissantes qui perturbent la navigabilité, l'exploitation et le bien-être des populations. Ça, sur le financement de la Banque africaine de développement, nous avons engagé un certain nombre d'activités dans ce sens. Nous avons mené beaucoup d'actions pour fixer les dunes. Tout à l'heure, il parlait d'ensablement. Quand mhm. vous parlez certaines parties du fleuve, vous voyez des phénomènes d'ensablement très inquiétants. Mhm. Nous avons, euh, présentement même, nous sommes en train de mettre en œuvre une convention avec le ministère de l'Environnement pour la protection et la restauration des terres dégradées, la fixation des dunes. Ça, nous avons fait des milliers et des milliers d'hectares. Et c'est ce message que vous voulez euh, faire que nous euh, connaître Aux, Exactement. exactement. Nous, avons, nous avons fait des opérations de plantation autour du fleuve parce qu'il faut fixer les berges, il faut fixer le sol pour qu'il n'y ait pas un emblavement, pour que les couris, lors des, pendant la saison du pluie, vous avez il y a des pluies, des eaux sauvages, ce que nous appelons les eaux sauvages, mhm. qui sont déversées dans le fleuve. Et ça entraîne un sablement et l'apparition des bandes de sable. Mais encore, le 20 juillet 2017, nous avons, à travers le gouvernement, fait adopter deux décrets importants. Le premier, c'est celui qui consacre la création d'une réserve naturelle nationale de Kandaji, que nous appelons aire protégée de Kandaji. Mhm. Et le deuxième décret, c'est celui qui consacre la création d'un sanctuaire pour l'hippopotame. Alors, tout ça, pour vous dire, autour du fleuve, vous voyez que les conflits hommes-hippopotames sont récurrents. Oui, notamment à Yerou. Eh, notamment à Et euh, Kandaji, d'abord, le programme Kandaji est un euh, pendant la construction du barrage, il y a un certain nombre d'impacts positifs et négatifs. Les impacts positifs, il y a beaucoup de mesures que nous sommes en train de mettre en œuvre pour les bonifier. Maintenant, les impacts négatifs, il faut mitiguer, les atténuer. C'est le cas de la création du sanctuaire pour l'hippopotame. C'est une réserve qui va permettre d'avoir d'abord du bourgou, qui est l'aliment de base mmh, des hippopotames et qui est la source des conflits. Mmh, mmh, si vous prenez la vallée du fleuve, les gens sont en train de se transformer maintenant en producteurs du bourgou. Quand les hippos sortent du fleuve, il n'y a pas à manger, ils s'en prennent. exactement, exactement. Voilà. Alors, donc, il y a ces mesures de protection de l'environnement, de protection du fleuve, des berges du fleuve, des plantations, des fixations de dunes que nous sommes en train de faire au niveau du programme Kandeshi, entre autres que vous, allez euh, profiter pour faire connaître au grand public. Exactement, exactement, parce que c'est une occasion pour nous, euh, cette édition du rallye, où un certain nombre de participants, les d'abord les riverains, les officiers, les techniciens, les journalistes que vous êtes, vous serez là et nous pensons que c'est une plage importante pour nous de communiquer, pour dire aux gens, voilà ce que nous sommes en train de faire. Le fleuve est important, il faut que nous le sauvegardons à travers un certain nombre d'actions. Bien. Euh, nous revenons à vous, euh, euh, Haruna Moumouni, directeur donc, de l'ASVNF et initiateur de ce rallye fluvial. Si je ne me trompe, le budget pour ce rallye s'élève à quelques 500 millions. Euh, il est financé par, euh, par qui Bien, Monsieur Alassane, merci. Euh, c'est même le cœur de la chose. Le budget au préalable de, de, Gao au Nigeria était de 500 millions. Alors, on a diminué, on est arrivé jusqu'aujourd'hui à 54 millions de Namaro à Assaï. Aujourd'hui, euh, je remercie l'agence euh, barrage de Kandaji qui nous a financé en concurrence de 8 millions 8 euh, millions 310 000 et euh, la coopération luxembourgeoise qui a annoncé euh, un transfert de 8 millions euh, dans nos comptes. Ce que nous voulons savoir, vous pouvez au moins nous donner une idée des différents partenaires qui ont, qui ont apporté de l'aide, sans vouloir rentrer dans les détails, les partenaires. Et est-ce que ces fonds dont vous avez parlé, 54 millions, est actuellement disponible pour, pour réussir ces rallyes Non, non, et on est en train de faire avec ce qu'on a, sous la main. Il y, a, il y a, un gap qu'il faut chercher, on est en train de chercher. C'est après-demain hein, le rallye Oui, c'est après-demain. Quelque chose peut tomber aujourd'hui. Demain, c'est possible. De les façon, euh, le, programme est dessiné sur. On a Est-ce que, est-ce que euh, si, euh, si jusqu'à présent il y a un, certain nombre de de, de, manques par rapport au budget prévisionnel, est-ce qu'il n'y a pas le risque que certaines activités puissent être sacrifiées mmh, Non, non, non. Aujourd'hui, si s'il n'y a rien, c'est qu'on va se sacrifier nous-mêmes et c'est ce qu'on a l'habitude de faire. On veut le fleuve, on n'a pas besoin de l'argent. On a diminué une fois ce qu'un rameur va avoir par jour. On a diminué une fois la nourriture qu'un rameur peut manger par jour. Donc, au fur et à mesure que le temps sert, si l'argent ne vient pas, on les appelle, on dit, bon écoute, le Niger c'est pour nous, le fleuve là c'est pour nous, nous devons crier SOS fleuve Niger pour que les États nous entendent, qu'ils entendent nos cris de cœur. Au passage, qu'est-ce combien un rameur gagne 100 000, 200 000 par jour Au départ, on a dit, bon, un rameur, on lui donne 25 euh, 000 jours. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vouloir euh, leur donner et qu'ils sont d'accord avec, mais tout en sachant qu'ils euh, sont en train de se sacrifier. Mhm. Aujourd'hui, ils ont jusqu'à 7500 jours. Et si jamais euh, les financements que vous attendez n'arrivent pas, ça peut encore chuter Non, non, non. Aujourd'hui, on va par là, quitte à avoir des petites dettes après. Bien. Une dernière question pour donner la parole aux autres. La première édition date de 2009. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour organiser la deuxième édition Merci. Euh, notre gouvernement nous a jamais soutenus. Ça, c'est difficile, c'est de la peine que dans des organisations qui se passent de l'autre côté du pays, le gouvernement met le paquet. Et il force même la main des gens pour que ces événements se réalisent. Mais quand sur le fleuve Niger qui a une importance capitale, légitime, le gouvernement tourne le dos. Agali Agouzoum Bouhari de, l'agence du barrage de Kandaji veut réagir par rapport à cette question. Donc, euh, je comprends ce que le promoteur est en train de dire, mais je pense que à toute euh, fin utile, il faut relativiser, il faut nuancer il y a eu depuis 2009 un temps qui s'est écoulé avant l'organisation de ces rallyes-là. Mais quoi qu'on dise, quoi dise cette année, le gouvernement est là quand même. Parce que le gouvernement, c'est le barrage de Kandaji. Le gouvernement, c'est le ministère du Tourisme qui sont en train d'appuyer le promoteur donc du rallye pour que cette édition on a parlé de 12 ministères voilà un certain nombre donc sauf je pense que, ne sait pas à quel niveau d'implication je qu'il a il est en train de gérer des difficultés mais le gouvernement est là. Et je pense qu'au niveau, par exemple, du programme Kandaji, nous, c'est une activité que, euh, à laquelle nous accordons beaucoup d'importance. Et c'est pourquoi les autorités, les responsables du barrage Kandaji m'ont envoyé pour d'abord assister à cette émission et pour que nous puissions, pendant les deux jours que va prendre le rallye, participer de manière physique, vraiment. Donc, je pense qu'il faut nuancer. Voilà, il y a des difficultés, mais euh, déjà, euh, le fait de passer à cette émission euh, du studio Kalangou, c'est déjà une bonne chose. Continuez à sensibiliser, continuez à aller voir qui de pour que les, gens comprennent que d'abord c'est important. Oui, justement, Haruna Moumouni, est-ce que depuis lors, est-ce que vous n'avez pas abandonné après 2009 pour vaquer à, à d'autres occupations Ensuite, vous êtes réveillé maintenant Le rallye est né en 2000. En 2000. Il a fallu 2009 pour avoir la première édition. J'ai fait successivement trois euh, missions à travers les pays membres de l'APN pour sensibiliser ces pays. Tous ces pays sont d'accord avec le Niger pour se rallier. Mais, Mais quand on arrive au Niger, on a du plomb dans l'aile. Ce qu'il venait de dire à euh, Gali, je le comprends. Il est un membre du gouvernement. Mais je n'insiste pas le gouvernement. Je dis ce que je vis. On a, après 2009, vous voyez, de 2000 à 2009, le combat que j'ai mené. J'ai même vendu une maison parce que je crois à ce que je fais. Je crois que nous devons nettoyer et ramener le fleuve dans son état original. Mm. J'ai payé des billets d'avion, des billets de, de, de, des frais des hôtels pour pouvoir sensibiliser les États. Je me, rappelais, je me rappelais, je me rappelle que Toumani Touré à l'époque m'a serré deux fois la main. Il m'a dit, jeune homme, si c'est un Français qui a trouvé cette idée, c'est nous les chefs d'État africains qui vont courir derrière lui. Mais comme c'est un noir, il te faut de la patience. Il l'a dit. Et apparemment... Au Burkina, pour arriver euh, à dire quelque chose par rapport à l'État, qui est à Gali pour moi. Au Burkina, on m'a donné une 4x4, un chauffeur, un guide, gratuitement pendant tout mon séjour à Ouaga parce que c'est une idée louable pour l'Afrique. L'unicité de l'Afrique peut naître à partir de ce rallye. Si tous les Africains se retrouvent au Niger, autour de ce fleuve, qui chantent, chantent, qui dansent, dansent, qui pagaient, pagaient, je pense que on peut faire quelque chose de ce Niger. Les donateurs sont là. mais quand même, euh, on est en train de voir le bout du tunnel. Ça veut dire que beaucoup d'acteurs ont compris. Beaucoup d'acteurs ont, le bout du Tunnel, le bout du tunnel, c'est à travers cette arme, cette quatrième ère redoutable qui est la communication. Il a utilisé le mot communication. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Je suis d'accord avec qui parle de la communication et vous aussi. Maintenant, pour revenir à votre question, je n'ai pas abandonné. De 2009, un ministre, je me rappelle, un ministre a signé euh, un, un arrêté pour la deuxième édition du rallye. Aujourd'hui, ça fait cinq ans que je l'ai dans mon tiroir. Ça ne s'est jamais réalisé. Il a fallu le ministre actuel. Et c'est surprenant. Les gens pensent. Lequel euh, Monsieur Ahmed Aboto. Boto Ahmed. Il a fallu lui et jusque-là, lui, il, est en train de piétiner des pots de bananes à travers ce rallye. Ne serait-ce que ce matin, j'ai eu encore des, des, sur la tête. Bien. Maintenant. Euh, Quand même, le rallye, Inch'Allah, le rallye aura lieu ce 3 février, après-demain. Je, le souhaite, je le souhaite dans l'intérêt de vous-même, Al-Hassan dans l'intérêt de Kalangou, dans l'intérêt de, de M. Morou et de l'intérêt de, Monsieur M. Faisal et de mon cousin qui ah ben, est un riverain également. Euh, j'estime que euh, ça va se réaliser, je le souhaite. Vous n'êtes pas sceptique, j'imagine. Non, pas sceptique. Bien. Nous allons donner la parole à Djibril Amadou pour finir. Djibril, comment pour vous euh, on peut arriver à pérenniser une telle initiative et comment en tirer pleinement profit Donc, d'abord, je félicite les promoteurs pour cette vision louable parce que c'est une belle vision. Et je pense que euh, la façon de pérenniser ces, événements, c'est d'emboîter les pas aux promoteurs, de les soutenir pour aller dans le même sens. Parce que comme il a eu à le dire, c'est vraiment parce que généralement ici on a des bonnes des bons programmes, des bonnes politiques, mais c'est d'autres qui en profitent. Donc vraiment on doit saisir cette occasion pour que les autres prennent exemple pour que ça serve de référence aux autres pays. Moro Amadou, euh, donc euh, du ministère de la Jeunesse et des Sports. Pour vous, comment faire pour pérenniser une telle initiative Puisque nous avons, euh, les uns et les autres ont soulevé l'importance d'organiser ces rallyes. Donc, de par le caractère sportif de ce rallye, le ministère de la Jeunesse et des Sports aurait dû être le premier partenaire de cette activité. Et, mais très malheureusement, donc, mais je pense que c'est aussi l'occasion de montrer au ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est une activité et, qui lui revient. Parce que c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a la vocation des activités, de la promotion des activités sportives. Donc, au cours de cette activité, il y aura des courses de pirogue, qui est une discipline autorisée par le ministère et par l'État du Niger. Et au cours de, cette, euh, au cours de ces épreuves, il y aura des, Nigériens qui auront des prix. Vu euh, avec leurs prestations, ils auront des prix, ils seront et, au vu aussi de tout le monde, puisque regardez que c'est les autorités nigériennes, plusieurs ministres seront invités des, il y aura des invités qui viennent de, de partout, mhm. et même de l'extérieur du Niger, pour regarder ce rallye. Et vu le caractère, euh, vu la beauté même des courses de pirogues, c'est une course qu'on ne trouve pas. C'est rare, on n'en trouve pas. Et je pense que le promoteur, et je le salue encore, pour mettre à la disposition du Niger sa propre culture sportive et, les populations qui sont autour du fleuve, mais qui ont qui n'ont plus même de pirogue. Je vous assure, il n'y a même plus de pirogue sur le fleuve là. C'est rare, les pirogues sont chères, les pirogues sont rares. On a même commencé à abandonner et la fabrication des pirogues. Donc c'est l'occasion de revenir, dire aux gens que eh, les pirogues, c'est important, les courses de pirogues, c'est important, parce que au-delà des activités utiles, il y a les activités sportives qui se déroulent. Et au cours de ce rallye, jusqu'à Saï, les gens vont s'approprier leur propre activité et face à des autorités nigériennes et les jeunes qui souvent, beaucoup n'ont jamais vu des courses de pirogue, voir des courses de et je pense qu'ils ne seront pas derniers, ils seront pas derrière pour la course à la promotion de ce fleuve. Merci. Agali Agouzoum, votre mot de mmh, fin pour la pérennisation d'une telle initiative. avant de donner mon dernier mot, vous remercier une fois de plus, remercier les studios Kalangou. Vraiment, je vous encourage à continuer dans ce sens et tout ce que vous êtes en train de faire, vraiment, pour la formation et la sensibilisation des populations du Niger dans tous les domaines. L'idée et l'initiative du rallye fluvial est une initiative louable qui a plusieurs déclinaisons. Vous avez le patrimoine culturel, le patrimoine hydraulique, le patrimoine écologique, les écosystèmes. Tout ceci est soulevé dans l'idée du rallye. Et nous, au niveau de Kandaji, en ce qui concerne la gestion environnementale et sociale, nous nous occupons de la santé des populations, de l'hygiène, du patrimoine culturel. Nous faisons des fouilles archéologiques parce que nous avons une idée de la construction d'un musée, du barrage de Kandaji. Donc, et la construction du barrage va permettre d'assurer un débit minimum de 120 mètres cubes secondes, à Niamey. Donc, du coup, d'assurer la navigabilité. C'est pourquoi nous avons euh, très vite soutenu cette idée-là et nous espérons que cette édition la voix s'est déroulée dans de bonnes conditions et que très rapidement, le promoteur pourrait organiser la prochaine édition. Je vous remercie encore. Merci. nous terminons à vous votre mot de conclusion, les perspectives pour les prochaines euh, éditions du rallye après, si jamais euh, vous, arrivez à réussir euh, cette deuxième édition les perspectives sont là. Aussitôt fini, aussitôt fini ce, ce rallye à la conclusion, je m'attirerai à organiser la troisième édition. L'année suivante L'année suivante. Sinon, le programme est même déjà fini. Le TDR est fini et tout ce qu'il faut, il faut est fini. Et je remercie euh, Liman, euh, une agence de, de communication qui m'a tellement aidé que je ne sais pas comment le remercier. Donc, Inch'Allah, l'année prochaine, en novembre, il y aura le grand rallye qui va regrouper les 22 pays dont on a parlé. Et qui partira d'où à où Je souhaiterais que ça quitterait de Mopti au Mali pour les embouchures du Nigeria. Bien. Merci. Fin du forum de ce soir. Nous étions avec Haruna Moumouni, directeur général de l'ASVN et initiateur du rallye fluvial inter-État. Agali Agouzoum Bouhari, directeur département environnement, gestion et écosystème de l'agence du barrage de Kandaji. Djibril Amadou, membre du comité d'organisation de ce rallye. Et Moro Amadou, qui ici représente le ministère de la Jeunesse et des Sports. Présentation de cette émission à la Sankouzi. Bonsoir à tous.